Euh, Mame Mbaye Niang nee na euh, li Sonko wax amul donc am na droit porter ko plainte Sonko tamit li mu li ko war mooy mu indi preuve Touba Mbacké feefu PDS loolu mënuñu koo perte c'est pas possible problème bi ñu am mooy problème de leadership au sommet xanaa kon bi ñu proposé am amnistie kon dañ koy nangu bëgguñu amnistie parce que révision du procès lañ bëgg bu fekkee ku saagawut yuuxuwoo amatewoo soxla woo jéemoo seet sa buzz opposé woo kon nañ xool ban façon opposition moo am benn position la si am mooy Macky n'a pas le droit de faire un troisième manda président Karim Wade li mu waroon na purgé si peine purgé na ko cinq la Donc, Diana. Malheureusement, il faut oser le dire, le visage de la commune de Mbaké n'a pas encore changé. Changé. Du point de vue infrastructure, du point de vue assainissement, parce que le de Mondial a fait un tata Les recrutements en soi, je n'y vois aucun inconvénient. Parce que plus le ministère, mais il faut équité bi dafa dess parce que aussi man ci ma deuk muy quartier bo xamné quartier la dafa am manam ben sensibilité bu fa nek man Franck Dadi secrétaire général JTLML, j'allais dire de toute la jeunesse libérale de Kumbakefi, je vous rendez-vous sur une émission point de vue sur la scène 7